Merci beaucoup, pasteur. Euh, monsieur le gouverneur, euh, et, tous les rois et tout le monde ici, ce soir, le Seigneur va parachever, il va, il va terminer avec les problèmes que vous avez amenés. Et quel que soit ce que vous n'avez pas reçu, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, mais ce jour, Regardez quelqu'un pour lui dire que aujourd'hui, le Seigneur va accomplir toutes choses dans votre vie. Toujours debout, Père. Nous te remercions, Seigneur. Nous t'adorons. Dieu Tout-Puissant, nous demandons que ce soir, que tu fasses des prodiges dans chaque vie. Confirme tout ce que tu as promis. Et, et nous ne serons plus jamais les mêmes. Au nom de Jésus-Christ. Et que le peuple de Dieu crie Amen. Et que le ciel s'unisse avec vous pour dire Amen. Le ciel vous bénisse. Assoyez-vous ce soir. Nous, allons par, nous parlons toujours de Jésus le tout suffisant Jésus. Et nous avons euh, considéré l'évangile selon Saint Jean, le soir à la croisade. Et nous avons parcouru jusqu'au chapitre 17. Maintenant, nous sommes au 18, 19, 20 et 21. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus, le Rédempteur qui cherche à nous restaurer, nous renouveler à nous recommissionner. Il est venu et il vous cherche et il veut vous restaurer. Quelle que soit la hauteur euh, dont vous êtes tombé, vous allez y retourner les bonnes choses dont vous êtes égaré. Ce soir, vous y retournerez au nom de Jésus. Jésus est venu restaurer deux il est venu renouveler. Il va renouveler la force de l'Esprit dans votre vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Et Jésus est venu vous recommissionner. Cela veut dire que la commission que le Dieu Tout-Puissant a pour vous de par toute l'éternité, vous avez laissé la commission là. Ce soir, c'est la nuit de recommission il va vous recommissionner. Il va me recommissionner. Amen. Encore le message est Jésus, le Rédempteur qui cherche à nous restaurer, à nous renouveler, à nous recommissionner. Nous allons voir quatre points là-bas. Premier point, nous allons voir le juste porteur de nos péchés. Il a porté nos péchés, il a ôté nos péchés, il a tout pris. Littéralement ce qu'on appelle le péché, il est venu ôter cela de votre vie. Il est le juste porteur de, c'est le Christ moni. Alors cela veut dire que tout votre opprobre, toute votre honte, toutes les choses mauvaises que vous avez faites, qui vous apporte l'opprobre terrestre et l'opprobre éternel, Christ a tout porté pour vous. Pour moi, numéro 3, c'est le, le vainqueur, le vainqueur ressuscité. Il est ressuscité des morts. Il a apporté cette puissance de résurrection à votre vie. Le vainqueur ressuscité. Numéro 4, c'est le capitaine rassurant. Et il vient quand vous perdez l'espoir, qu'il n'y a point raison de vivre, il n'y a pas raison d'être positif, il n'y a, pas, plus raison de, faire le progrès. Il vient, le capitaine de votre salut vient et il vous rassure. Ce soir, tout, tout, tout, tout espoir que vous auriez perdu reviendra. Nous allons euh, à la première partie, premier point, nous allons voir le juste porteur de nos péchés frappés pour notre pleine rédemption. Juste porteur. Il a porté tous nos péchés, il a ôté tous nos péchés, il a porté, ôté toutes les conséquences du péché. Nous allons à Jean 18, verset 22. Jean 18, 22 dit à ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur voilà le verset 23. Jésus lui dit Si j'ai mal parlé, Fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu Pourquoi me frappes-tu pouvez vous imaginer le Christ éternel Le Christ, euh, l'Emmanuel éternel, Dieu avec nous. pouvez vous imaginer que notre Sauveur, notre Rédempteur, pouvez vous imaginer que celui-là qui a été avec le Dieu tu puissant à l'éternité, être frappé, souffleté par un pauvre, un homme malheureux que tu parles contre le souverain sacrificateur de cette manière. C'est lui le véritable sacrificateur, souverain sacrificateur. Lui, Christ, qu'il soit souffleté, frappé de telle manière, que pensez-vous Disons que la personne la plus honorée que vous connaissiez et que la personne soit frappée publiquement. Voici le roi du ciel. Voici le roi des saints. le Seigneur des seigneurs étant frappé. Pourquoi Pourquoi était-il frappé Nous allons à Esaïe 53, verset 5. Esaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est pourquoi il est venu porter souffrance souffrance, de nos douleurs qui s'est chargé. Il, a chargé. Il, est, il s'est chargé. C'est comme nous disons qu'il est le juste porteur. Et il dit que c'est de nos douleurs qui s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, frappé de Dieu et humilié. Pourquoi était-il frappé publiquement de cette manière, de façon ignoble Et voyons le verset 5 qui dit mais il était blessé pour nos péchés. À cause de vos transgressions, il était blessé. Il portait la plaie que vous devez porter. Il portait le jugement que vous devez porter. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. C'est ça, c'est ça. C'est à cause de l'iniquité. Normalement, vous devez avoir ces blessures vous devez avoir euh, ces fouettements, mais le Seigneur a dit, ne t'en fais pas, je vais porter cela pour toi. Je crois que vous allez dire Amen. Le jugement, il dit que non, je vais porter cela pour toi. Le joug, mais je vais le porter pour toi. Toute l'angoisse et les conséquences du péché que vous avez commis, que je vais tout porter pour toi. Euh, et, je dois dire merci, gloire à Dieu au ciel parce qu'il a porté tout mon opprobre, il a porté toute mon angoisse, il a porté toute ma tristesse, il a porté tous mes péchés. Il les a portés, et les a ôtés. Vous n'allez plus les porter. Vous ne serez plus accablés par cela et dit que, que mais le châtiment, que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je suis guéri. Je dis, je suis guéri. Il faut le répéter, non Je suis guéri pour le retrouver vrai. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et 6 dit quelque chose de très important au verset 6. Très important, je, vais vous le montrer ça. Au commencement, c'est le, c'est nous, nous. Nous étions tous. À la fin du verset, c'est encore dit nous tous. Il n'y a pas d'exception. Au milieu du verset encore, c'est dit tout le monde. Voyez cela, voyez cela. Cela veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes candidat du salut du Seigneur. Candidat du pardon du Seigneur, vous êtes candidats de la grâce de Dieu au commencement tous, à la fin du verset tous et au milieu du verset aussi tout le monde. Que je vous le lise maintenant, nous étions tous errants comme des brebis, tous. Chacun, ça veut dire tous, chacun, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donne-moi un bon Amen. Le Seigneur a mis sur lui, il a fait retomber sur celui qui est venu porter tous nos péchés. Alors il a tout mis sur lui et il a ôté de toi. Il faut le dire, il a ôté de toi. Il a ôté la pression, il a ôté la punition, il a ôté la présence de ce péché-là. Et le ciel vous regarde maintenant dès que vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, quand vous dites que oui, il est mon Seigneur, toutes vos iniquités, toutes vos transgressions, tous vos péchés sont ôtés. Ôtés. Ôtés. Combien de vos péchés Combien de vos iniquités Combien de vos méfaits Tout est ôté. J'annonce que vous êtes affranchis. J'annonce que vous êtes pardonnés. Voyons le deuxième point ici. Nous allons au deuxième point. Jean 19, Jean au chapitre 19. Jean 19, je lis le verset 30. Jean 19. Jean 19, disons le verset 30. 30 dit quand Jésus, ouais, Jésus dont nous parlons, celui qui est tout suffisant pour toi, pour moi, pour tout le monde, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit Tout est accompli. Que je crie seulement cela Tout est accompli je vous entends crier cela, tout est accompli. Criez cela. Trois mots là-bas. Tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire Tout, tout le salut, la rédemption, tout la guérison, tout la délivrance, tout et la déclaration finale que le jugement ne viendra plus sur vous. Jésus est allé à la croix, il est mort à la croix. Et le la dernière parole qu'il a dit, il a dit, tout ton salut finalisé. Tu ne regardes pas ici et là. Où est le salut Où est le pardon C'est tout est accompli. Vous ne dites pas, où est la libération où est la rédemption qu'il a apportée, qu'il a fait En tout, nous avons la rédemption là-bas. Nous avons le salut là-bas. Nous avons le pardon là-bas. Nous avons la nouvelle vie là-bas. Tout est accompli. Quelqu'un crie Amen. Et ce qui suit là-bas est, est, est maintenant, est. Mais aujourd'hui, est, c'est l'indicatif présent. Le présent. Ce qui n'est pas finalisé au, auparavant est maintenant fait. Et vous ne devez pas dire que j'attends jusqu'à demain. Ce n'est pas que ce sera et que c'est est, eh, est, eh, eh, Maintenant, gloire à Dieu, votre salut sera le salut présent. Gloire à Dieu, la joie du salut est présentement ici et ce sera sur votre vie au nom de Jésus-Christ. La guérison est. La délivrance est pour ce moment. La, liberté est pour ce moment. Et c'est en ce temps-ci. Criez Amen. Vous avez quelques-uns, ils vont dire que après le programme, je vais voir le prédicateur. C'est bon de voir le prédicateur. Si tu vois le, prédicateur, tu viendras avec ton témoignage. C'est pas que tu viendras pour la guérison, parce que c'est fait maintenant ici. C'est fait pendant que vous êtes assis ou debout là-bas, parce que tout est, est, est, est Qu'est-ce qui suit Accompli. Accompli. Accompli. Votre agonie, votre angoisse, tout est accompli. Vos, vos souffrances ont, pris fin. Amen. Et toutes les oppressions du diable, tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire finaliser, finaliser. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de reste, il n'y a pas de regardons de cette maladie. Il n'y a pas de reste de ce chagrin de cœur qui puisse rester. Tout est accompli, tout est finalisé. Et le, tout est accompli. Qu'est-ce que cela veut dire Tout est terminé. Ça veut dire que les miracles, les miracles sont maintenant au complet. Donnez-moi un bon amen. La délivrance est maintenant au complet. Cela veut dire que c'est parfait. C'est perfectionné. Quand il dit tout est accompli. Cela veut dire que tout est perfectionné. Je vous verrai. C'est parachevé. Je vous verrai aujourd'hui. Lorsque vous aurez la guérison là, alors vous aurez ce miracle parachevé. Vous aurez ce miracle perfectionné, finalisé, la solution à vos problèmes. Vous l'aurez ce soir au nom de Jésus-Christ. Tout est accompli la condamnation de mes péchés, tout est accompli. Le jugement sur mes péchés, tout est accompli. La faiblesse de ma vie passée, tout est accompli. Le, le joug, la servitude que tu avais, tout est accompli. Crier, tout est accompli. Croyez-y, quand vous, le dites, dites ça, tout est accompli. Comprenez les, que l'espérance vous parvient, comme vous dites, tout est accompli. Tout est accompli, répétez cela. Tout est accompli. Je vais au troisième point maintenant. Troisième point. Le vainqueur ressuscité nous apportant la rédemption et la justice le vainqueur ressuscité, parce qu'il est ressuscité, il nous a apporté quelque chose. Nous allons au 20. Jean 20, verset 1. Jean 20, verset 1. Le premier jour euh, de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme et faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Et la pierre est ôtée. Je dis la pierre est ôtée. Beaucoup de personnes euh, euh, demandent comment vous êtes sûr que Jésus est ressuscité des morts. Tout d'abord, les soldats, il y a des gardes qui gardaient le lieu là pour qu'il ne laisse aucun ami, aucun disciple de Jésus venir. Et un seul disciple ne peut pas venir ôter la pierre. Ces soldats gardaient le lieu là. Puis il y avait un tremblement de terre depuis le ciel qui est venu ôter la pierre. Vous comprenez Ces soldats là étaient des militaires armés sur terre ici mais celui qui est venu ôter la pierre est du ciel. Et lorsque Marie était allée là-bas avec les autres qui le cherchaient, ils, ont retrouvé la pierre ôtée. Personne, personne ne, ne pouvait faire cela. Deux, les gardes qui étaient là, lorsque l'ange est descendu du ciel pour ôter la pierre, ils étaient tombés raide mort, le visage comptait. La puissance de la résurrection les a écrasés, les a submergés et les a jetés à par terre. Et ces soldats n'ont aucun doute que Christ est ressuscité des morts. Quand vous lisez tout le chapitre, les disciples Pierre et autres sont venus. Pierre a couru, Jean a couru. Et ils sont allés dans le, dans, dans le sépulcre, ils ont vu une tombe vide. Il n'y a personne là-bas. Il y a un tombeau vide. Le témoignage de ces gens qui ont retrouvé le, le tombeau vide montre que Jésus est ressuscité. Les soldats étaient allés voir les autorités, les gens qui les ont nommés. Ils ont dit que, vous savez quoi Jésus est ressuscité. fermez la bouche. faut pas en parler. Il faut dire que quelqu'un est venu le voler de nuit lorsque vous dormez. N'est-ce pas un crime pour ces soldats qui veillent là-bas d'accepter qu'ils dormaient, qu'ils dormaient à leur poste de devoir. Ces dirigeants-là savaient que Jésus est ressuscité. Vous savez, je le sais, tu le sais, que Jésus-Christ, qui était mort et qui était enseveli et qu'il est ressuscité encore. Je dis, il est ressuscité encore. Les disciples s'étaient enfermés dans une chambre et Jésus, le Christ ressuscité, comprenait. Le Seigneur de la terre, s'ils veulent entrer quelque part, lorsqu'il était sur terre, avant la crucifixion, avant sa mort, avant sa résurrection d'entre la mort, s'il allait quelque part et tapait la porte, et quelqu'un du dedans lui ouvrait la porte. Maintenant, l'évidence qu'il a résulté des morts, alors il est passé par la porte fermée, il peut passer partout. Aujourd'hui, quelle que soit la barrière devant vous, il va passer par la barrière et vous atteindre là-bas. Et il dit, paix, paix, la paix pour vous, la paix sur vous. Je vous donne la paix. La paix soit avec vous. La paix, il est résulté encore. À cause de cela, tout ce qui est mort en vous va résulter encore. Tout ce qui est dormant dans votre vie va reprendre vie. À cause de cela, votre espoir va reprendre vie. Quand Je dis quand Maintenant, maintenant. Il le fera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Parce que la puissance de sa résurrection va agir dans votre vie. Allons au Romains, chapitre 10, verset 9. Romain 10, Romains 10, verset 9 qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. donne moi un bon Amen. Et il nous pose la question et il nous dit, de ne pas avoir une, une foi aveugle. Oui, je crois, je crois. Oui, non. Il considère la pierre est ôtée. C'est une réalité. Il considère le fait que le, tombeau soit resté vide. Il considère le fait que les soldats se soient tombés lorsque l'ange est descendu du ciel. C'est une vérité. Il considère le fait que ces soldats soient allés vers les autorités du pays pour dire que l'homme-là, réellement, était ressuscité. C'est une vérité. Considère que, considérez que ces dirigeants veulent même soudoyer, même il les a même soudoyés, leur donner de l'argent, afin qu'ils disent qu'il n'est pas ressuscité. Alors quand lorsque les disciples sont allés là-bas, ils ont vu un tombeau vide il considérait lorsque Marie est tournée, elle a vu quelqu'un croyant étant un jardinier. Et Marie a dit, eh, Monsieur Seigneur, si tu as ôté mon Seigneur d'ici, montre-moi là où tu l'as mis. Jésus a dit, Marie, et ses yeux étaient ouverts. Elle savait. C'est une vérité, c'est une réalité que ce qu'on dit, c'est que quand tu vois une vérité, une réalité, qui que tu, tu, sois, dis la vérité. Si tu sais que ceci est réel, alors ne vas-tu pas croire cela Quelqu'un dit, je suis un scientifique. Oui, oh, je comprends. Oui, les scientifiques agissent avec la vérité. Je vous montre maintenant la vérité et la preuve. Et maintenant, on a le courage pour et pour confier, avoir le courage, le courage de croire et de confesser de ta bouche. Disant que si tu crois de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ce soir tu seras sauvé. Et le verset 10 dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut c'est que ce que tu crois dans ton cœur avec confiance, dis-le fort. Il fut un temps, beaucoup de personnes dans le monde croient que le monde était plat. Pas comme un, euh, pas, rond, plat. C'est comme quand on marche sur la terre, que on va bientôt parvenir au bout, on va tomber mais quelqu'un a découvert que la Terre est ronde, que c'est un globe. Parce qu'il sait que c'est une vérité, il a dit. Et les gens qui n'ont pas fait des recherches n'ont pas dit non, ça ne peut jamais être. Finalement, il continuait de dire ce qu'il a cru. Vous devez continuer de dire ce que vous croyez, que Jésus-Christ est le Sauveur, qu'il est ressuscité des morts, que si tu le crois dans ton cœur, tu dois le confesser de ta bouche et le salut tu sera accordé. Le salut est pour moi parce que je le crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts, il est devenu le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois. Je crois parce que je crois, je le dis de ma bouche et le salut est pour moi. La rédemption est pour moi. Le salut est pour vous. Quelqu'un crie Amen. Nous allons au quatrième point, quatrième point. Le capitaine rassurant, élargissant la nouvelle commission de la personne restaurée. L'histoire ici, c'est que Pierre, parce qu'il savait qu'il a déçu le Seigneur, il a sa déception l'a conduit au découragement. Et puis il a dit aux autres que je vais pêcher, je vais la pêcher Rien de, rien de mauvais d'aller la pêche, mais le problème avec lui, c'est que il a abandonné cela au départ. Il a délaissé cela au départ. Et le Seigneur lui a donné la promesse que je te ferai, non, encore pêcheur de pêcheur, attrapeur de poissons, mais pêcheur d'hommes. Il a abandonné l'œuvre de Dieu. le Seigneur a abandonné l'œuvre de Dieu pour lui. Et pour lui, c'est une déception. Alors, parce qu'il se voyait découragé, et les autres aussi ont dit, nous irons à la pêche avec toi. Et cela est devenu une pierre d'achoppement. Il est devenu une pierre d'achoppement aux autres. Vous ne serez pas une pierre d'achoppement. Il le vomissement qui était sorti de vous, vous n'allez plus aller l'ingurgiter à nouveau, vous n'allez pas aller l'avaler encore à nouveau. Un bon amen Et la nuit là, Jésus leur a rendu visite. On aurait cru que l'homme qui est devenu une déception, un découragement pour les autres, oh, j'aurais pensé que Jésus dirait, et eh, tu vas ton chemin, va-t'en, mais Jésus n'abandonne jamais une personne découragée. Tu es découragé, tu as fait des choses dans ton découragement et on dit que je suis mauvais. D'accord, je suis mauvais. C'est ce qu'ils disent, non Oui, je vais leur prouver que je suis mauvais. Et tu crois que Jésus ne va plus t'aborder en ce moment-là. Jésus va venir à toi. Quelqu'un dit, Regarde tel frère. Une autre personne dit que, pourquoi tu l'appelles frère tel C'est un rétrograde. Si tu... Hein, Laissez-le. Hein, il m'appelle rétrograde. D'accord. Puisqu'il m'appelle rétrograde, oui, je suis rétrograde. Vous croyez que Jésus, il croit que Jésus ne va plus venir à lui. Jésus va toujours venir à toi. Où que tu te trouves, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit également, Jésus viendra à toi ce soir. Je suis surpris. Tu ne dois pas être surpris. Je suis étonné. Lorsque Jésus est arrivé là-bas, il n'a pas appelé ses disciples sept ensemble. Il n'a pas, les pas appelé un groupe de rétrograde Jamais. Jésus, quand Jésus n'utilise pas de mauvais langage. quest que ce que vous avez fait, il dit, et enfant, avez-vous de pain à manger, enfant Avez-vous de pain Le bon nom que vous vous êtes donné, Jésus va l'effacer. Et la mauvaise opinion que vous avez de vous-même, Jésus supprimer cette mauvaise opinion. Avez-vous de pain Et ils disent non. Il veut, il voulait qu'ils se rappelle que ce qu'il était à la première fois, lorsqu'il a raconté Pierre, lorsqu'il a raconté Jean et Jacques, ben, ils n'avaient rien pris. Ils sont retournés à cette situation. Mais il va les aider, il va les aider. C'est pourquoi j'aime Jésus. Jésus va vous aider. Ce soir, Jésus va vous aider. il dit, jetez vos filets ici. Et ils n'ont pas argumenté. Ils n'ont pas dit, non, il n'y a rien là-bas. Nous, nous sommes des, des pêcheurs expérimentés, experts, professionnels. On a travaillé toute la nuit. Ils ont simplement fait ce que Jésus leur a dit. Vous allez faire ce que Jésus dit. Ils ont jeté leur filet là-bas Hélas, ils ont attrapé une, grande quantité. Vous allez attraper beaucoup. Le vide dans votre vie va devenir, le vide va devenir une plénitude. Je dis, le vide dans votre vie va se transformer en surabondance. Et puis, ils ont amené les poissons à la, eh, eh, à la plage au bord. Et il n'a pas dit, Pierre, toi là, tu m'as renié trois fois. Voici le, euh, le résultat. Il n'est pas venu condamner. Il ne, il ne va pas vous condamner. Il a dit, venez manger. Ne savez pas pourquoi quelqu'un, une personne raisonnable, va voir Jésus, va voir toutes ces choses qui étaient arrivées et ne va pas accepter Christ, regardez, regardez-le. Au lieu d'apporter la condamnation, il a dit, venez manger. Et que c'est bon pour eux. Mais il a dit, Pierre, il, a, préparé pour eux. Il leur a donné à manger. À manger. Pierre, m'aimes-tu Pierre dit, je t'aime. Malgré ce qui était arrivé, nous t'aimons. Malgré ma faiblesse, mon découragement, nous t'aimons. Malgré le fait de te renier, je t'aime. Jésus n'a pas dit, eh, moi je n'y crois pas. Ah, moi je n'accepte pas ça. Hein. C'est ce que certains disent que si je me repens et j'invoque le Seigneur, Dieu va-t-il accepter ma confession Oui, oui, il va t'accepter. Aujourd'hui, comme vous le confessez, et vous dites, Seigneur, je t'aime, c'est fini, d'accord, je t'accepte. Alors vous l'acceptez et il va vous accepter. Et la deuxième fois, comment, qu'est-ce que Jésus a demandé la seconde fois Il veut que Pierre oui, examine bien ce qu'il dit pour que Pierre comprenne que je l'ai dit une fois, je l'ai dit deuxième fois, je me suis même écouté. Et je crois ce que je dis. Même tu J'ai Seigneur, je t'aime. Et Jésus lui a dit, paix mes, mais brebis. Troisième fois, Jésus a dit, Simon Pierre, fille de Jonas, est-ce que tu m'aimes réellement ce réellement ce que tu m'aimes Et il dit, Seigneur, tu sais, tu sais tout. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Jésus dit, d'accord, ça suit, j'accepte. Quelle que soit la confession que tu fais ce soir, Jésus va l'accepter. Il va te pardonner. Il va effacer ton passé. Et Jésus a dit, ce qu'il a dit au commencement, il le dit, suis-moi, suis-moi. Alors un appel renouvelé et une nouvelle commission, suis-moi. Et comme il suivait Jean, le bien-aimé, Jean a suivi, Pierre a dit, Seigneur, qu'est-ce que celui-ci fera Et Jésus a dit, c'est quoi Qu'est-ce que cela, cela te regarde Toi, suis-moi. Il ne faut pas regarder les autres. Et celui-là, qu'est-ce que l'autre va faire L'homme, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire L'ami là, qu'est-ce qu'il va faire Le Seigneur t'a appelé et tu vas répondre à l'appel. Et tu dis, je vais suivre. Seigneur, je vais suivre. Je vais suivre. Quel que soit ce que les autres font, quel que soit ce que les autres ne font pas, moi, je vais suivre Jésus-Christ. Il faut le répéter. Moi, je vais suivre Jésus-Christ. J'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. Le monde derrière moi, la croix devant moi. J'ai décidé de suivre. Je vais le suivre. Vous allez le suivre. Vous indiquez au premier jour que je suis Jésus. Maintenant, vous prenez la dernière, la dernière décision que je vais suivre. Rien ne va vous détourner de lui. Un ami ne va pas vous détourner de lui. Et un moqueur ne va pas vous détourner de lui. Et parce qu'il qu'il suivait, Pierre est devenu un personnage important dans le royaume de Dieu. La décision que vous prenez pour Christ en vous détournant de tout, ce qui est du passé pour vous tourner vers le Seigneur avec la foi en Christ, cela fera de vous une personne importante dans la vie, une, personne significative dans la vie, une personne importante de par toute votre vie. Et tout le monde dit Amen tête baissée, les yeux fermés. Tête baissée et les yeux fermés. Voici le dernier jour. Vous prenez la décision de suivre Christ. Je me détourne du passé. Je me tourne vers Christ, mon Sauveur, celui qui est ressuscité. Comme vous prenez la décision là, vous dites, je vais le suivre. Je vais le suivre je ne vais plus me détenir de lui, je vais le suivre. Et puis, la restauration viendra, le salut viendra, les bénédictions du ciel viendront sur vous. Où que vous soyez, levez la main là. Vous dites, je suis Christ. Moi, je suis Christ. Partout, partout, partout vous trouvez. Je suis Christ. Si tu suis Christ, lève la main. Je suis Christ en ligne, Oubliez votre passé. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui de le suivre. Je suis Christ. à la télé, vous êtes à la télé, vous êtes à la radio, vous êtes à, vous, écoutez la radio, vous écoutez la radio. Levez la main que Dieu vous bénisse là-bas. Si vous levez la main, priez, vous tenir debout, pas de honte. Tenez-vous debout. Il ne faut pas dire. Ah, il faut seulement dire, je suis. Tu te mets debout, tu déclares que les autres suivent ou pas, que les autres s'accordent avec vous ou pas, que les autres se joignent à moi ou pas. Voici ma décision. Je suis Christ. Quand vous tenez debout, il faut dire au Seigneur, calme, euh, tranquillement là-bas, calmement là-bas, Seigneur Jésus, je te remercie tu es crucifié pour moi, tu es mort pour moi, répétez cela. Tu es enseveli pour moi, tu es ressuscité pour moi. Maintenant, j'ai décidé de te suivre pour le reste de ma vie. Amen. Amen. Toujours debout. Père, nous prions. Père, nous te remercions pour l'appel est venu. Te remercions pour la foi que tu as mise dans le cœur des gens qui sont debout. Et ils savent que Jésus est ressuscité des morts. Et que c'est une vérité. Et ils croient à cette vérité maintenant. Seigneur, je prie qu'une nouvelle vie vienne à chacun. Que le salut soit, soit accordé à tous. Une nouvelle vie et la vie éternelle pour tout le monde qui croit maintenant au nom de Jésus-Christ. Accorde-leur la joie du salut et la nouvelle vie qui accompagne le salut. Merci Seigneur, car c'est fait, le salut est là, la rédemption est là, la restauration est là, c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que ça vous bénisse, toujours debout. Les conseillers vont venir à vous et ils vont prendre vos coordonnées. tout est accompli. Vos péchés sont pardonnés toujours debout. L'heure est à la prise des coordonnées des nouveaux convertis. Don't cancel, don't cancel, just capture their data, please. Name, address, phone number, check up the number, the digits. If you miss anyone, you have lost that person, no more contact with the convener. Please. The fast yet thorough, meticulous, attentive, vigilant. Let's go in now, please. Keep standing, please. Keep standing. Tonight is a surprising night. Nobody should move. We have prayer ceremony very soon now. Please. Personne ne doit rentrer chez lui Don't forget to give us accurate data so, so we'll be able to help you. The, baptism, the, the, the, the uh, banquets on 7th, baptism on 13th. Globally, what are doing here, do the same thing in, in Africa countries, the same thing in Southwest, South-South. That's why the, the pastor has sacrificed his time and, and energy to go around the globe because Christ is coming very soon. So be attentive to this major reason the content of is going around that this ones now. So please, all the choristers going in now, get their data, don't cancel the fast, because this night is historic. Go ahead now, go ahead. Those online, look at the, the, the link there, click it, you see a form there, fill it and Pour ceux qui sont en ligne, il y a un lien. s'affiche au bas de l'écran qui est euh, HQ.org connect. Cliquez sur le lien là et puis euh, un formulaire euh, va s'afficher. Et remplissez le formulaire et puis soumettez-le. Please, fast, fast, fast. Please, our converts, don't forget that we still have much to learn. After this one, there's banquet for you, all locations. Here is 4 p.m., all over the world. Then there's baptism also on 13th. Then there's also to disciple you. there's some, some, some uh, lectures on that, some outlines. Les nouveaux convertis doivent savoir que euh, ils doivent participer à des classes euh, de formation mais d'enseignement. Ils doivent par là aussi, cela va les conduire au baptême et pour leur affaire mission en Christ devenir des disciples et deviendront des femmes croyants dans le Seigneur. Vous savez, il y a aussi l'étude biblique, il y a euh, tant de choses qui aideront ces nouveaux convertis pour être ferme dans le Seigneur, être préparés pour le ciel. Donc, euh, comme vous venez de donner votre vie au Seigneur, donnez-nous votre nom, votre adresse, tout euh, ce qu'il faut pour vous identifier et être en contact avec vous afin de vous aider dans votre marche avec le Seigneur. Of the pastor, this is very, very important material that will make them to stand. Pastor's book, his letter to them, and so on. Please keep it, and then give them on the seventh on Sunday as a camp for, for, for, for the banquet. Do that quickly. Be fast, but be, be, be thorough, be meticulous, be attentive. That's why the pastor is here in Ugari. Nothing else. Not for any, any jamboree. Came for souls. That's why he's sacrificing life, energy, everything, going around the globe for the world before Christ comes or death comes the first place, our uh, choristers, all of you, the workers who are in the training, go in now, please. Remember, don't move out because there'll be closing ceremony for this Ukari crusade. It's a unique crusade to my mind. The massiveness, the way the pastor was received on Thursday was massive to me. It was the best. So please, let's be fast, please. want to honor the governor, honor the, the honor the indigents, honor the kingdom here tonight also. So go down, down, down, down, down the road also. Don't cancel, don't, don't delay. Just get the name, get the address, get the phone number, just email, that's all right. Remember those, I'm sure, some by my left, I'm sure. Please, some down, down, even by the kitchen. It's a massive crowd, to my mind. Massive, incredible crowd I've seen in Ukare. waiting for you now. The pastor is loaded. Loaded. There'll be a prayer now. This prayer will, will usher you to a higher realm. Whatever, whatever ailment, whatever sickness, whatever challenge, will, it's the last day. C'est le dernier jour, le pasteur viendra prier pour vous, soyez attentifs. Tout problème va fléchir, il ne faut pas euh, rentrer chez vous. Demain, euh, on ne sera plus là, le programme n'aura plus lieu. Donc, euh, Tirez euh, tirer profit de cette dernière occasion pour avoir votre miracle au dernier, mais restez, faut pas fuir. Euh, c'est une soirée spéciale parce qu'il y aura euh, de grands témoignages ici ce soir. Down, down, down, down. down the road, please. Get the accurate digits of the, of the phone numbers, please, of, of the handsets, so that you don't miss anybody out. If you miss somebody out, that person is no more connected with the with convener. Please, because you shall be sending a message to them for baptism, for banquets, Sunday classes. Globally, what are doing here, do, do the same thing in, in, in Abai, the same thing in Port Harcourt, same thing we're doing here in Calabar, everywhere. So you don't miss anybody. Even in Europe, I don't know about your time frame there, timing. Are you in your room, wherever you are? Get that link and fill it up and send to us to be guided. The same virtual banquet on, on the same days, uh, 7th. It's, it's a global thing. There's a message from the pastor. There's a booklet which I give you. There's letters from the pastor. It's a package to sustain us at this critical time globally. The global is, is out of course. I mean, the whole world is out of course. That's why GCK is, is here now. In fact, it's, a, it's evolving. You'll see more, more this quarter at the grace of God. Keep praying for our pastor. It is evolving. When you are done, can we indicate, please, so I can save time? And yes, you must Don't miss anything. Don't mistake. Don't mistake at all. that's uh, our contact points tonight or tomorrow morning. They will, receive a message guiding them what to do and the venue of the of the of the of the banquet, the baptism, and so on. Tonight, please, those are waiting. You are sick. You have problems. Tonight, everything must bow. Vous êtes malade, tous vos problèmes vont fléchir ce soir parce que nous sommes à l'apothéose si vous ratez ce soir, c'est pour toujours. Restez là et commencez à prier le Seigneur parce que vous ne devez pas rentrer chez vous avec ce mal-là. Vous serez délivré, guéri ce jour. Nous sommes à une soirée spéciale. Ce soir, euh, c'est une euh, nuit de puissance euh, spéciale qui efface tout défi. Et tout est accompli. Il faut crier Amen. Tenez-vous debout. Et tenez-vous debout parce que le pasteur est déjà prêt. Gloire à Dieu. Ce soir, c'est votre soirée. Jésus ne va pas vous manquer. Vous n'allez pas manquer, rater votre miracle. C'est accompli. Vos maladies ont pris fin. Vos, vos douleurs vont prendre fin. Vos maladies vont prendre fin. Tout problème, toute montagne dans votre vie ne seront plus là au nom de Jésus-Christ. Levez une main et imposez-vous l'autre main. Là où vous avez le défi. N'allez pas rentrer chez vous avec la chose là. nous sommes déjà prêts, le ciel est prêt pour vous. Apprêtez-vous, Père. Au nom puissant de Jésus, nous savons de la déclaration de Christ tout est accompli. Les maladies, tout est accompli. Les infirmités, tout est accompli. Les anormalités, les déformations corporelles, tout est accompli. Je prie Seigneur maintenant que tu touches tout le monde, que tu brises toujours, que tu détruises les œuvres du diable, sans exception, affranchis tout le monde. Cette folie, je te commande, sors de là au nom de Jésus-Christ. L'enflement dans le corps là-bas, quitte au nom de Jésus. La folie, la cécité du moins, Seigneur, ouvre ses yeux aveugles. Le mutisme, que la langue soit déliée. Partez, parlez au nom de Jésus. Les sous, entendez au nom de Jésus. Le, euh, le cancer, vous en êtes guéri. L'ulcère, vous en êtes guéri. Toute forme de maladie dans votre corps, vous en êtes guéri au nom de Jésus-Christ. Toute attaque, c'est annulé tout inconfort complètement ôté. Seigneur, partout maintenant, à gauche, à droite, partout, de devant, en ligne, à la télé, à la, radio, partout dans, le monde, toute leur infimité, maladie, tout est accompli, tu as pris fin au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéri. Vous êtes délivré, Vous êtes affranchi La manifestation de cette œuvre accomplie, que cela soit dans votre vie maintenant. Amen. Je suis guéri. Je suis en santé. De la tête de, du haut de ma tête jusqu'au bout de mes orteils, je suis guéri. C'est fait. C'est fait. Tout est accompli. Au nom de Jésus, nous prions.